D'abord, euh, rendre grâce à Dieu de nous avoir permis d'être témoins et depuis quelques minutes acteurs de ce grand jour d'expression démocratique. Comme nous le constatons, le peuple est en train de sortir, d'exercer son droit de se choisir ses représentants à l'Assemblée nationale. Il le fait dans le calme et dans la sérénité, dans la pure tradition démocratique sénégalaise. Voilà pourquoi j'ai invité les acteurs politiques dans la campagne électorale à faire preuve de responsabilité pour battre une campagne apaisée, sachant que le jour venu, le peuple aurait la même posture de grandeur qu'on les connaît et qui fait la fierté de tous les concitoyens, de tous les compatriotes sénégalais, qu'ils soient d'ici ou de la diaspora. La maturité démocratique, c'est aussi des acteurs responsables qui s'affrontent par les idées et par les programmes, qui parlent au peuple dans la sérénité et dans le respect mutuel et qui laisse à ce peuple le droit fondamental qui lui appartient exclusivement de se choisir ses représentants ou ses dirigeants. Pour le reste de la journée, j'invite à nouveau les électeurs, qu'ils soient citoyens simples ou candidats, qu'ils soient tête de liste ou investis, à faire preuve de sérénité, à jouer pleinement la carte de la paix et à recevoir la volonté populaire qui sera exprimée à travers les urnes par une sérénité et une acceptation qui fait le jeu démocratique. Il y aura toujours des vainqueurs à l'issue de cette élection. Il y aura aussi des vaincus. Mais en définitive, c'est le peuple sénégalais qui sera gagnant et nous avons tous l'obligation morale de préserver cette, euh, de préserver cette, euh, cette appréciation et ce jugement que la communauté internationale nous porte et qui est empreinte de respect, en ce sens que nous constituons une exception que nous devons à tout prix perpétuer génération après génération. Euh, di sant yalla bu baax gannaaw bu ñu mayee ñu fekkee ko tal ko ba matal suñu yéene moy dem voter ji niñ ko seetloo nag fi ak ci benen centre bi ma àndoon euh, soxna si madame la première dame sénégalais yaangi ngi génn ci dal ak ci sen teyeefu bakan di dem woné sen tànneef ci ñi nga xamante ñom lañu bëgg ñu teewal leen ci pencum ndaw réew mi nii nag sénégalais yàgg nañ ko doxale ndax am na ñu mat gi te yàgg nañu wane ne saa yu jote ak nu coow li bari bari bari dinañ dem ci dal ci jàmm dem wote ñi ndànk seen kër ci ngoon si ñu joxe résultat bi bët set ku ne demaat ci li nga nekkoon muy si ite loolu moo tax bu ñu doon dugg ci campagne électorale bi ma doon waxtaan ak ñi nga xamante ne ñoo nekk ci nguur gi ak ñoo nekk ci kuje gi te jiite ay liste électorale wala ñu am fu ñu féete te di ko fësal doon leen woo ñu nawlante mayante cër te tamit xam ne senegal gii ñoo ko moom te liñ ci bëgg a def ñu nekk ci kuje gi wala ci nekk wala ñu nekk ci nguur gi duñ ko mën a lu dul ne dañ koy def ci jàmm ak ci dal gannaaw bu ñu yàlla mayee nag ñu am askan gu am dayo gu ñu am ci mat ak ci maturité démocratique xam lu mu bëgg te bés bu jotee mu fësal ko ci jàmm acteur politique yi nag ñoo war a def ñoo war a góorgóorlu ba nekk ci niveau bi askan wi toll loolu daf ñuy may bu ñuy dem campagne électorale ku nekk nga dem ci jàmm waxtaan ak askan gi ci jàmm fësal sa programme askan gi déglu ñëpp bu bés bu jotee mu doxal nu mu faral di doxale bés bii tey nag bés bu am solo la ci démocratie sénégalaise ndax fee nga xamante ne foofu la ñuy xëccoo pour dem te muy yoon du xëccoog ñaawo ñaawoo du xëccoog xiiroo du xëccoog ŋaayoo waaye noonu la war a demee ndax ku ne dafa yëkkati loxo ne damaa bëgg a teewal askan wi askan wi nag moom moom baat bi mooy jox ku ko neex foofu liñ fay doxal dafa am solo solo soo xam ne tanef bi ni buñ ko defé fi juróom at yi di ñew bu soobee yalla lepp lo xamantene mo nara waccat ci askan wi ci ay lu ñuy wate ci sart yu tegu ci ñëpp fofu lañ koy defé ni ñuy wato tamit ñi nga xamantene fal nañu leen am na juróom wër ci gannaaw muy président de la république ak andal fofu lañ koy defé kon assemblée nationale bërëb gu am solo la ba buñ fa dee tanef tànneef gi warna tan don tanef go xamantene xamante programme la gannaaw seetlu ndax ay ndaw la ñoo xamante ne bu ñu leen yónnee du ñu leen mën a woowaat ñu dellusiwaat ñu remplacer leen tànk jama ngi am te tànk ak diir gi ñu leen appal matul. kon li may ñaan ñi nga xamante ne ñoo nekk di wote am fu ñu féete que ñu nekk ñoo xamante ne wote rek la dem dem toogaat wala mu nekk ñoo xamante ne fësal nañu fu ñu bokk ndax ay militant lañu wala ñu nekk ñoo ñu jiite ay liste. nañu ànd ak dal li des ci bés bi ndax taaru bés bii mu commencé ñu mën ko eggalee noonu. duggee nañ ko ci bismillahi rahmaani rahim yal nañ ko yàlla may ñu mattale ko ak alhamdulilah rabil alamin loolu nag li koy maye mooy segem processus bi bëriwul coow ci xëccoo ci diggante acteurs yi ndax dañ ci fësal euh, tëddee njaaxaanaay lépp lu ci nit waroon am ci àq jox nañ ko ko ba mu mat ni ma ko diggee woon ne dinañ am ay ay élection yu régulière yu démocratique ak yu transparente matal nañ ko ba fi ñu toll nii li ci des nag mooy ku nekk respecte sa aqu morom ba luy fësee ci urne yi ci mbañ gàcce yi ñu xam ne askanu Sénégal lii la tànn te nuñ ko nuñ koy tànnee noonu nag gannaaw day wax ne le peuple est souverain maanaam askan wi kumko moom baat bi kum ko jox ñu nangul ko ko noonu te xam ne Sénégal benn bopp la kenn mënu ko waaye doxal lii andi jàmm wareef la ci ku ne nga nekk ci kuje gi wala nga nekk ci ñi nga xamantene ne ñoo jiite réew mi ànd ak ñun wala ñu ànd ak ñoo xamante ne ñoo nekk ci liste majorité présidentielle bi li laa bëggoon ci kaddu di ñaanal sénégalais yépp ñu am bésub jamm te yalla may ñu ñu matal lepp lo xamantene yéena la ci yéena gu rafet ci bés bi ba nuñ koy defee sa su ne ñu koy Afrique té ñu am responsabilité générationnelle tamit perpétuer ko manam fassé wëyel ko yàlla may ñu ñu matal ko incha allah rabbi te loolu rek mooy li ñuy sàkku ci ñëpp ñoo xamante ne ay acteurs lañu ci bés bi muy bésu bés bu mag ci démocratie sénégalaise. jërëjëf jërëjëf jërëjëf monsieur le président.